allo. allo oui. allo oui. oui Abdou Aziz. oui. maa ngi lay ziar bu wér yaa ngi en direct biir VIP People émission wax sa xalaat. oui. tey nag ñuy waxtaanee li nga xamante ni rek moom mooy actualité réew mi li nga xamante ni moom moo am démb fële ca Yaraax. ak euh, Ousmane Sonko mi ñu def sous mandat de euh, dépôt depuis boobu gis nañ fi ay manifestations ba tey ñu ngi xamal ni rek euh, ñett juróomi nit ak fukki juróom-ñaari nit du moins. ñàkk nañ ci seen bakkan sa xalaat ci li nga xamante ni rek moom mooy loolu. waaw sama bon maa leen di nuyu en Vous euh, leen jaare di aussi sur le travail que vous êtes en train de faire par rapport à l'opinion publique pour vraiment donner mhm. des informations de taille, mais des informations solides et, vérifiées. Mhm. Maintenant, ce que je peux dire par rapport à la situation actuelle, moi je crois que il y a de nous il y a de nous de Mais vous savez, Sénégal, il y a des gens qui ont parce que nous, des fois, c'est une passion le ñuy top, le mhm. mais euh, malheureusement il y avait une certaine manipulation au sein de l'opinion ba nga ne. Mhm. niveau euh, Sénégalais mhm. la réalité. finalement euh, c'est parce que nous avons un état un état quand même très fort et moi je crois que bu en tout cas le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Le mhm. wax Sénégal une police de dañu xarañ. Mhm. même dans le théâtre des opérations au niveau international. Mhm. nos forces de défense et de sécurité nous, dans fait nous exceller di fait un travail extraordinaire et moi je crois que le Sénégal ba le dynamisme il faut que ak xarañte Moi, je tax ñu ma avons ne bu euh, quand le ministre de l'intérieur génn ci les événement euh, les événements de mars ak les événement yu fi mujj jaaraat muy wax ne le Sénégal y a force forces occultes des forces tapis à l'ombre ñun ñu naan yenn force nangam sàngam mais mm-hmm. Mm-hmm. ñi ko doon weddi di wax mm-hmm. mais tey lan la ñu gis c'est-à-dire li ñu gis mooy nañu nañu nañu nañu nañu taal nañu nañu nañu tiire nañu nañu dóor na ñu rey mais loolu nañu def lii jël leen ay ay ay comment dirais-je euh, maanaam euh, bàyyi leen sax pneu yi dee leen nekk ci koñ yi léegi genre guérilla urbaine nga xam ne policiers yi duñ leen mën a contenir dañuy sonn après yéen def leen lii dem leen léegi bàyyi leen taal pneu yeeg yooyu amul njariñ mhm. dem leen dugg ci kër yi euh, kër responsable yi ngeen xam ngeen taal mhm. ngeen ngeen saccagé ngeen sàcc ngeen rey ngeen violé mais ce discours là mhm. buñ demee ba ay nit di ko wax di gëmloo sénégalais yi ndaw ñi Et quand vous voyez les images qui circulent, mhm. vous voyez que pratiquement, c'est des jeunes inconscients qui sont manipulés, c'est-à-dire des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ça veut dire que, en vérité, il y a un problème. Et ces jeunes-là, nous les sacrifier au lot, à l'hôtel des mensonges hein, et de la manipulation de certains leaders. Et moi, je crois que l'Olumo Inditaï, ce qui s'est passé avec l'arrestation de Ousmane Sonko, mhm. euh, a le leader euh, des des patriotes mais pratiquement gis nañu ni ñuy doxale ak ñi nga xam ne ñoo nekk bitim di leen jàppale di woo nit ñi si ay saa di saaga di woo à la limite di saaga noo religieux mhm. mais alors que le Sénégal est un pays culturellement et religieux nit ñi dañu am lu ñu dañu am ay croyances ñu vraiment la stabilité de ce pays-là ñu Orleans, leen fonk war leen malheureusement ce n'est pas le cas. Mhm. donc Réumi, fondamentalement ils ont un dessin vraiment macabre je peux dire pour bien me faire déstabiliser Réumi, mettre le Sénégal dans le chaos mais là, nous bëgg nous moom les de forces occultes ni ni et le ministre de l'Intérieur a eu raison sur, tout le monde. Mm-hmm. Et ce qui s'est passé avec un bus incendié, vous mm-hmm. voyez, on incendie un bus là, mm-hmm. où ni n'y a n'est Sénégal, c'est qu'il y a un problème. Il y des actes terroristes. Il faut qu'on le dise. parce que quand même il ay a des ci ay. kaar ñuy mais voilà. ça veut dire que ces actes là c'est des actes terroristes il faut le qualifier comme tel et l'appeler comme tel parce qu'en vérité il yi y a ay ay ay terrorisme di ko wax ci yooyu ngay gis ah ñu naan ay bombe à l'exécutif fallait gis naan oto bu ñu bu piégé tout ça mais yooyu tey yooyu moom la ñuy commencé di dugal Sénégal ça veut dire qu'il y a un problème. Mm-hmm. et quand l'heure est grave et moi je crois que c'est dans ce sens-là que l'État doit prendre toute la responsabilité qu'il fait mhm. pour garantir la sécurité des personnes et des biens parce que ça c'est le rôle régalien de l'État mhm. euh, mooy symbole, rôle dañu protéger les populations protéger askan bi protéger ses biens mhm. et actuellement l'État du Sénégal président Macky Sall pour l'instant moo ko jiitee gum ba le 2 avril ba nga xam sous élection le 2 avril peut-être le prochain président du service donc président Macky Sall mon fi et moi je crois que de 2012 à aujourd'hui président Macky Sall li mu mën ak li pour que le Sénégal devienne, en tout cas sur le plan international sur le sur le plan local les réalisations du Sénégal di dox budget du Sénégal du def le travail du def ba nar a sortir sortir le Sénégal de l'ornière fii ba à l'horizon deux mille trente cinq mu war a génn dem un nekk un pays émergent mais ay nit bëgg koo yàq bëgg indi fi lu fi xawul woon bëgg déstabiliser dëkk bi bëgg indi ay problème mm-hmm. jàpp naa ne loolu képp ku bëgg réew mi bëgg jàmm ci réew mi dañ ko war a condamné parce que Sénégal ak lu ñu mën a wax réewu jàmm la mm-hmm. te nit ñu jàmm lañ bëgg et moi je dis toujours que sans la paix on rien construire de durable mm-hmm. loolu moom moo tax ñu nga disposition yi ñu war jël yëpp ñu maintenant euh, ñi nga à l'insurrection di pour ay subversion ci dëkk mm-hmm. mais quand même un état sérieux ne peut pas croiser les bras raison pour laquelle tous ces gens là ils seront traqués et mis hors d'état de nuit dëgg parce que mm-hmm. la paix du Sénégal nous sommes 17 millions de Sénégalais on ne peut pas laisser le pays à groupe groupuscule de personnes nous mm. war a détruire euh, la quiétude et la paix du du pays. Mm. duñ ko nangu un état sérieux du ko Dans le moment, moo tax toutes les dispositions qu'il faut pour mm. gérer ça et y a xool nu euh, pour régler ce problème là de manière définitive d'autant plus que moi je dis souvent le Sénégal. Tu vois, donc euh, le Sénégal est encore épargné. Donc il va falloir aussi que nous liguions nous conscientiser encore davantage. Mhm. Et là, je, lance un appel aux journalistes de ce pays de savoir raison garder et d'être le, plus patriote possible pour que les, les vraies informations nous créent du tout ce qui se passe actuellement li nga xam ne du ak jaaduwul ñu di ko ñu bañ ci attardé wu li ñu war a attardé wu tey pour journaliste yëpp di ko wax dëkk mm-hmm. bi yëpp di ko wax mooy que actuellement nii lii des actes barbares et terroristes yi nga xam ne moom la ñuy gis di di incendie ay bis di taal ay ay ay magasin di taal ay Auchan di yàq ay BRT di di yàq ay ay ay ay ay di taal mm-hmm. Euh, mm-hmm. comment dire le euh, le comment comment on dit le terre mm-hmm. xam nga nga xam ne yooyu yëpp yu ñu liggéey la mu dee milliards yoo xam ne ay Sénégal ñoo ko war a fay ñu nar ñëw di ko yàq yooyu c'est des actes barbares et terroristes qu'il faut lii bu ko defee nit ñi xam ne lii jaaduwul et moi je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut appeler les Sénégalais pour que tout le monde soit conscient que ce pays-là a besoin d'être encadré et d'être mm. surveillé de plus près par des autorités, mais surtout par l'État du Sénégal, avec nos forces de défense et de sécurité il y a vraiment nous leen di si c'est ci un professionnalisme c'est un travail sous la conduite du ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Félix Antoine qui fait un travail extraordinaire et qui mhm. aujourd'hui one euh, Sénégalais mais ça se confirme aujourd'hui sur le terrain mhm. qu'il y a des forces occultes qui essayent de déstabiliser le Sénégal mhm. pourquoi parce que vous savez hein, le Sénégal actuellement en 2023 de Disney nous allons vers l'exploitation du pétrole et du gaz nga le Sénégal dafa le voilà euh, de war un pays prospère. de mhm. fou pétrole à gaz Il y a les ennemis nos ennemis qui essayent de venir on nous parle de malédiction du pétrole le pétrole n'est pas une malédiction ce sont mhm. ceux qui veulent détruire le pétrole détruire le pays Nous, avons une malédiction et moi je crois que nous nous ferons face pour que tout ça soit préservé parce que le Sénégal de Fawara, exploiter son ses ressources naturelles mhm. de manière euh, responsable pour que pétrole ci d'autant plus que le président de la république en mm. créant ce qu'on appelle le COS-Pétrogaz ba pare nag mu nekk euh, kii bu nga créer de manière consensuelle mm. Madame mu Sénégalais tout le monde les ceeg euh, privé société civile euh, la l'opposition tout le monde pour ñu waxtaane pour que ëllëg bu nous ñu mën a xool naka lañ mu am ay milliards yu nga xam ne day ñëw dugg sur le budget consolidé de l'État jàppale mm-hmm. pour que ñu mën a régler suñuy problème jël loo xam ne lii dañ ko sax teg pour les générations futures mooy le fonds intergénérationnel mm-hmm. pour que si nga xam ne dañuy ñëw ëllëg bu ñu ñëwee dañu am lu ñu fi fekk donc réew ñu ngi koy construire Macky Sall daf ko tegoon ci ay une vision donte tey mu ngi dem président n'est pas candidat mais sa vision là nous avons action à 2035 pour pour l'émergence du Sénégal donc c'est cette belle vision là que continuer ko. pouvoir en tout cas si nous langu président de la république nous APR Yakar, nous Benno la grande majorité présidentielle. le candidat qui sera issu de nos rangs en tout cas cette belle vision du président de la République le le plan Sénégal émergent qui a été décliné en trois phases, en trois axes. Axe 1, la transformation structurelle de l'économie vers une croissance inclusive. Euh, axe 2, du le capital humain, euh, action sociale et développement durable. Et l'axe 3, la paix, la sécurité et la bonne gouvernance. Et je termine par euh, l'axe 3, la, paix, la sécurité et la bonne gouvernance. Aujourd'hui, c'est un problème de sécurité qui se pose. Et là, nous interpellons vraiment encore une fois l'État du Sénégal à ce que nous prenions toutes les dispositions qu'il faut pour préserver la paix et la sécurité dans ce pays. Et tous ceux qui essaient de détruire le pays seront mis à l'état de, à on va les, battre. va les question que je la vous poser ci li nga wax que mooy euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk bitim réew euh, maanaam di ah. influencer wala di yónnee seen xaalis euh, jeunesse bi pour ñu yàq li nga xamante ni rek moom mooy réew mi est-ce que l'État du Sénégal a warul jël ay mesures ci ñooñu nga xamante ni ñu ngi basé wu foofu. mais absolument le Sénégal doit prendre ay mesures yu yu am yu yu am solo war nañ ko jël par rapport ak loolu yëpp xam nga quand bu ngeen gisaan. ñu naan dañu tere ay koppar express ak dañu tere leneen parce que l'État. Mhm. dafa am des informations yu nga xam ne. man du ma ko am yow doo ko am ñeneen duñ ko am. Mhm. mais ñoom xam nañ xaalis yooyu fi muy jóge ak li muy doon servir. Mhm. ñuy après ñun dañuy am <coughs> des fois ay éléments yuy wane ne. ñu naan xale yi. yii de bu ñëwee def leen lii jënd leen lii da dee leen daal dee leen def lii dee leen def noonu ñu di ko dégg. Mhm. kon loolu ay mesures yu ñu war a jël ay je crois que yéen ñëpp a ngi dégg. Mhm. ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew. Mhm. ñu mën leen identifier ñuy wax di ah, di jël ay ay mesures yu doy waar di wax rek ñooñu Sénégalais ñoo war a conscient parce que ñu ñuy wax nañ taal réew mi dem leen ci kër Massamba attaqué ka dem leen kër Tange ngeen bu ngeen ko fa fekkee ngeen taal

d'autant plus que mhm. mhm. euh, le Sénégal nous sommes 17 millions de Sénégalais mhm. et puis sais 77 de la population c'est de 0 à 35 ans et 63 c'est de 0 à 20 ans ça veut dire quoi ça veut dire que nous avons une population excessivement jeune Mhm. donc li ñu accompagner le président de la République par rapport au mécanisme yi mu de financement même si on doit corriger certains si euh, euh, nous ñuy corriger améliorer pour gën a gën et je crois que loolu même dans le CPS, le PAP déjà euh, euh, le le programme d'action prioritaire ajusté et accéléré nous disons ñu def le vision Mati 535. nous bindons jeunesse 2035. c'est-à-dire dañu jël ndaw ñu au devant ça veut que pays le Sénégal 46 départements un installé des pôles emploi nga c'est pour fixer la jeunesse dans leur propre terroir avec des financements qui leur permettent de travailler d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses mën nañ leen orienter mën nañ et def ay liggéey yu am solo même sur le plan de la formation que aujourd'hui les jeunes bi ñu amee ay baccalauréat ils leen di yóbbu ci euh, plutôt pour def ay formation yu nga xam mhm. deux ans après tu sors tu as ton diplôme tu as euh, une expérience qui est opérationnelle sur le terrain donc mhm. yooyu dafa am solo dañu il a accompagner ces bonnes politiques de l'État pour permettre de résorber un peu le chômage parce que dëkk la affaire bi dafa à ce qui se passe avec l'immigration clandestine, nos jeunes, on doit les conscientiser que du ne bàyyi pas réew le di dañu war a toog ñu xool naka la ñuy def pour gën ko mën a liggéey mm. te liggéey boobu si ñoom lañ ko séentoo ñoom lañ ko xaare ñoo war a liggéey seen lycée d'autant plus que wax naa la sànq ne la 77 pour cent de la population c'est de 0 à 35 ans mm. et 63 pour cent de 0 à 20 ans ça veut dire que ne nous avons une population jeune kon ndaw ñi ñoo war a tabax réew mi ñoo ko war a liggéey il va mm. falloir aussi moo am cette conscientisation et je crois que là je vous interpelle la presse mm-hmm. vous avez un rôle excessivement important mooy fexe di informer nit ñi mais di vulgariser di wax lu baax li nga xam ne ñu ngi koy def si réew mi euh, di critiquer li nga xam ne war nañ ci critiquer man je crois que ne loolu mooy dëgg quoi et vraiment loolu laa leen di woo di woo Sénégalais yëpp ñu xam ne lii xew nii nag da da ngeen ci war a bu di ka wane di ko wax tous les jours ñu conscientiser population yi comme quoi que ne lii ces actes terroristes là mm-hmm. Sénégal xamul lii te lii xamuñu fu mu jëlee te Sénégalais yëpp bàyyi ci xel bu ko defee bu ko ñëpp di wa mhm. Sénégalais yëpp di ko déglu bu yàggee dina am un effet boomerang bu muy def au sein de la population. bu ko defee am na solo sur les fondamentaux maanaam le respect des institutions de la république parce que mënuñu jàpp ay nit ñoo xam ne ñii suba ngoon guddeeg bëccëg bu ñuy wax li ñuy wax lépp mooy euh, désacraliser les institutions de la république désacraliser la justice désacraliser le président de la république. pratiquement euh, ou autre euh, violence autre euh, insurrection mais mais ces gens-là quand même il ne faut pas que ñu bàyyi leen ba se produise dans ce pays. je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on essaie maintenant de gérer et de vraiment régler les problèmes à, ce niveau-là. merci aussi je vous remercie. merci beaucoup. merci. jërëjëf contribution bi am na solo Abdou Aziz la woon moom moo joxe yooyu les contributions ci li nga xamante ni rek moom mooy actualité réew mi.